le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 18h15 minutes. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou au micro Hamadou Moumouni. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 et Amphani FM 100. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions. Nous sommes aussi présents à Arlit, Filengue, Bernin Gauré, Magaria, Menesoroa, Tamaske, Bouza, Dolbel et Saï. Nous sommes heureux de vous retrouver ce jour, très heureux même, j'allais dire, parce que nous célébrons ce mercredi 18 janvier l'an 1 de votre studio, le studio Kalangou, un an de programme radiophonique quotidien consacré à l'actualité nigérienne. Tout au long de l'année, vous avez pu suivre des journaux, des magazines en français, Hausa, Germa, Tamashek et Fulfoudé, sans oublier le forum que vous écoutez actuellement les studios Kalangou au rythme du Niger. C'est une information indépendante à travers un réseau de 20 radios partenaires implantés un peu partout dans le Niger. Dans ce forum, nous allons vous faire revivre les moments forts de la vie de Kalangou. Vous allez entendre aussi certains auditeurs qui vont apprécier le contenu du programme, faire des observations et formuler des critiques pour mieux satisfaire. Et à la suite de tout cela, vous suivrez la représentante nationale de la Fondation Suisse Hirondelle qui a mis en place le projet Studio Kalangou Pauline Ben va répondre aux préoccupations des auditeurs et parler des perspectives du studio. Pour le reste de l'actualité, nous allons parler de la rencontre hier et aujourd'hui de la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophe. Les participants à cette rencontre vont nourrir le document de la stratégie afin de s'adapter au contexte actuel et répondre de façon efficace aux catastrophes qui pourraient se produire. On dira aussi un mot sur la Cannes Gabon 2017 où les premières sorties des équipes se sont soldées par plusieurs matchs nuls pour Siliman Mohamed, président de l'Association des journalistes sportifs du Niger. Cette situation dénote d'une amélioration réelle du niveau du football africain. Oui, le studio Kalangu a un an il y a un an que ces programmes ont été lancés, donc le 18 janvier 2016, ici à Niamey. Il s'agit d'un programme radiophonique qui produit et diffuse des informations indépendantes, factuelles, impartiales et équilibrées à travers un réseau de 20 radios partenaires dans le, dans le Niger. Le studio a été créé par la Fondation Suisse Hirondelle, une organisation appuyée par l'Union européenne lancement des programmes d'information du Studio Kalangou ce 18 janvier. Studio Kalangou, un projet mis en place par l'ONG SUS Fondation Hirondelle et ses réseaux de radio partenaires dans tout le Niger. Déjà un an qu'il est depuis Niamey, le studio Kalangu a pour objectif d'atteindre un grand nombre d'auditeurs dans les zones les plus reculées du Niger à travers ses éditions d'information. À cet effet, le studio Kalangu est relayé chaque jour et en direct à travers ces radios partenaires qui diffusent des journaux en tamashek, fulfulde, haussa, germain et français. Le lancement officiel du studio Kalangu de la Fondation Hirondelle a eu lieu le 29 janvier 2016 à Niamey en présence des représentants de l'Union européenne, de la coopération suisse, du ministère de la Communication et du Conseil supérieur de la Communication. Plusieurs personnes étaient conviées à l'événement, y compris le joueur de Kalangu. toutes les informations sont produites par une équipe de plus de 20 journalistes, traducteurs et techniciens nigériens depuis Niamey avec un réseau de correspondants à travers le pays. Raylette Soumana, Studio Kalangu. Oui, 18 janvier 2016, 18 janvier 2017, un an que le studio Kalangu de la Fondation Hirondelle, une ONG suisse des journalistes et de professionnels de l'action humanitaire, diffuse ses émissions à Niamey et à l'intérieur du pays. En un an, quels sont les points qui ont marqué la mise en œuvre du projet Studio Kalangu La réponse dans ce papier avec euh, Tanan Mohamed. 18 janvier 2016, à 17h30, les studios Kalangu de la Fondation Hirondelle diffusent son premier programme composé de journaux et de magazines en Hausa, Zerman français, à et à l'intérieur du pays par les canaux des 10 radios partenaires via un signal satellitaire ou Internet. Fin avril 2016, les studios Kalangu lance son programme en Fulfulde et le 31 mai 2016, son programme en Tamashek. Aujourd'hui, les studios Kalangu diffusent ses éditions en quatre langues nationales et en français et offre à ses auditeurs une émission mission des débats appelée le Forum du Studio Kalangu. Ces programmes, qui sont basés sur une information factuelle, nette et rigoureuse, sont produits par 15 journalistes, 4 traducteurs, 3 techniciens et un webmaster appuyé par les correspondants des radios partenaires. Celles-ci sont aujourd'hui au nombre de 20. Studio Kalangu leur apporte un appui technique à leur fournissant du matériel composé des kits de reportage et de production. Studio Kalangu, c'est aussi de la formation à l'intention des radios partenaires, mais aussi d'autres médias. Voilà, à l'occasion de ce premier anniversaire, nous avons aussi tendu nos micros un peu partout euh, pour écouter nos auditeurs. Je vous propose de suivre les auditeurs de Tawa, Agadez et Tilaberi. Voici ce qu'ils en pensent. joyeux anniversaire pour CN. Et Studio Kalangu, c'est une radio, si je peux le dire, qui informe le peuple et en particulier, plus précisément, les gens de Tilaberi parce qu'ici, on n'en a quasiment pas. Je ne sais pas, Yvan, du début de ses activités, mais au cours courant, j'ai pris conscience et connaissance de leurs activités. Les informations nous parviennent à des faits qui se réalisent dans le pays et à travers euh, la diffusion de ces communications-là, ça arrive à notre niveau et vraiment c'est salutaire, c'est encourageant. C'est vrai, il y a la possibilité d'aller sur le net et puis suivre l'intégralité. Ce qu'il faut se dire, euh, bon, tout le monde n'a pas la possibilité d'accéder à l'Internet. Si moi, je peux me connecter et suivre, quelqu'un n'a pas cette possibilité. Et ça serait intéressant hein, à, ce que vous revoyez euh, vos heures de diffusion. Mon avis personnel, le studio Kalangou est bien parti. Vraiment, les émissions et surtout le débat qu'il euh, donne le soir, vraiment, nous, ça nous permet d'être toujours calés, câblés à les écouter. Sur le plan sensibilisation, information et débat, vous faites la fierté de la région. Studio Kalangou, bon vent et bon succès les différentes euh, émissions que j'ai eu à écouter, plus précisément euh, les séances d'information, que ce soit en français ou en langue, m'ont totalement satisfait. J'ai trouvé que vraiment le studio Kalangu abat ici un travail d'information euh, de la population, un travail extrêmement important en tout cas que moi j'apprécie et que j'encourage et je, que je félicite également. Vous savez, les gens ont soif d'avoir ce qui se passe à l'intérieur du pays et aussi au niveau central. Donc, euh, Kalangou Kalangu a un programme que la population de l'ADER apprécie. Vous savez, les informations, c'est ça le développement. Donc, euh, à chaque heure du journal, la population de l'ADER, selon mon constat, à la maison comme à la FADA, tout le monde. Donc c'est souvent c'est des cellulaires, donc avec la écouteur pour euh, écouter les informations. Donc je me suis dit que Vraiment, s'il y a la possibilité de continuer ou encore de créer d'autres émissions de sensibilisation, ça vaut vraiment le coup. En tout cas, moi, je l'ai découvert comme ça par hasard. D'ailleurs, je me demandais même si c'est, quelle est cette chaîne, là Kalangu C'est une chaîne nationale ou une chaîne internationale c'est, après que j'ai su que vraiment c'est une chaîne nationale. Effectivement, mes impressions sont très bonnes. Ce que j'ai trouvé Radio Kalangu, d'abord, c'est l'engagement des journalistes. Je les ai trouvés très engagés dans l'information. Et, c'est traduit dans toutes les langues du Niger. On fait d'abord en français, en Hausa, en Tamashek, en Fulfulde. Et, et les traducteurs, quand c'est les pour les langues que je comprends, les, traducteurs traduisent complètement fidèlement ce qui est dit en français. Donc vraiment, ça m'a beaucoup impressionné. Par rapport à la qualité de l'information qui est donnée, j'écoute que les années m'intriguent sur la santé, mais il faut aussi étudier les problèmes sociaux de population. depuis son existence au, niveau d'Agadez, ça fait un an de cela, je n'ai jamais raté euh, les infos euh, de la radio Kalangou, Même euh, dans mes voyages, vraiment ce qui m'a beaucoup frappé et ce qui m'a beaucoup euh, donné le courage d'être fidèle à ces émissions, c'est parce que à, travers leur page euh, Facebook ou euh, même dans les voyages, j'arrive vraiment à toujours garder ces, ces, émissions à travers la diffusion qu'ils font euh, des émissions, surtout les journaux en français et les forums. Et de voir comment essayer de négocier avec leurs partenaires qui sont les radios pour augmenter d'autres émissions. les journaux, c'est bon, les forums, c'est bon. D'écrire vraiment des émissions interactives où vraiment ça va beaucoup toucher la population. Je suis une fidèle auditrice du studio Kalango. Et j'écoute les informations de cette radio à travers la radio Nomade FM. Et je les encourage beaucoup. C'est surtout les informations qu'on écoute dans toutes les langues. Surtout les informations en français de Nefissa hein, sur Fou. Vraiment, j'adore savoir. Là où j'aimerais un peu souhaiter, c'est au niveau des débats. Les débats, il faut donner la chance à nous qui écoutons ces radios partenaires également de, de pouvoir appeler en direct pour passer nos points de vue. Ça, c'est important aussi. Aussi, s'il y a possibilité de faire des émissions sportives. Nous, on est jeunes, on est sportifs. En un moment, je dis Lardo Kalangou, bravo. Voilà, le studio Kalangou vu par ses auditeurs en un an d'exercice, c'est une occasion, un an, c'est une occasion de faire le bilan, mais surtout de répondre aux préoccupations des auditeurs que vous venez d'entendre. Le studio Kalangou, un an, quel bilan déjà La réponse de Pauline Bend, elle est la représentante de la Fondation Suisse Hirondelle qui a mis en place le projet Studio Kalangou. Écoutons-la. Un an de vie, c'est une satisfaction parce que c'est toujours difficile quand on commence de savoir euh, si on va tenir sur euh, la distance et euh, on était arrivé avec un objectif qui était de commencer un projet pour toucher l'ensemble des citoyens du Niger avec un certain nombre de radios partenaires, avec des ambitions en termes de langue, avec des ambitions en termes de contenu, avec des ambitions en termes de formation. Au bout d'un an, il y a des choses qu'on a, je dirais, très bien réussies. Il y a des choses sur lesquelles on doit encore progresser. Peut-être que si je viens sur ce qu'on a réussi, euh, c'est déjà d'exister. Parce que euh, monter comme ça un média vraiment de, de, de toute pièce euh, à partir de rien, il a fallu lever le challenge de constituer l'équipe, il a fallu lever le challenge de poser la grille des programmes et bien plus que la grille des programmes, il a fallu vraiment avoir la reconnaissance, l'acceptation des auditeurs. Parce que c'est pour ces auditeurs-là que nous travaillons. Aujourd'hui, quand on, on reçoit le feedback des auditeurs, c'est très très généralement positif. Évidemment, il y a, il y a des critiques sur euh, parfois la longueur euh, des, des, émissions ou que certains éléments sont trop longs ou que certains éléments sont trop courts. Il y a des critiques par rapport aux langues, c'est-à-dire qu'on a commencé avec le Hausa, le Zerma, le français. On a réussi quand même à insérer le Fulfulde, on a réussi aussi finalement à insérer le Tamashek, mais on nous réclame par exemple le Kanouri. Donc il y a toujours euh, quelque part des éléments sur lesquels on peut continuer d'avancer. On nous réclame aussi plus de contenu Évidemment, on a, on a une contrainte qui est euh, la contrainte de temps. On a deux heures d'émission. Pour produire ces deux heures d'émission, vous qui êtes euh, à, la production Amado, c'est pas, vous comprenez bien ça. C'est un grand investissement qui fait qu'aujourd'hui, c'est difficile pour nous de passer à plus de temps d'antenne. L'autre contrainte aussi, c'est que nous travaillons avec des, partenaires qui sont euh, des radios partenaires qui ont aussi leurs propres contraintes en termes de grille. Donc, nous nous insérons dans leur grille. Donc, étendre vraiment aussi le temps de diffusion, c'est compliqué. Il y a toutes ces contraintes-là, mais on entend en tout cas le, retour des auditeurs. On entend leurs commentaires en, termes de, temps, en termes de, de langue, en termes aussi de contenu, parce que souvent, on a eu des retours tour, on nous a demandé davantage de contenu sur les femmes. Et euh, je crois que ça, c'est un de nos défis pour la, période à venir, d'avoir plus d'éléments sur les femmes, sur les jeunes mhm. aussi. D'accord. Il y a peut-être une autre question. Euh, le studio Kalangu, c'est pour qui oui, euh, le, je vais dire peut-être de manière un peu trop sûre ou peut-être trop... Le studio Kalangu, c'est pour les Nigériens. Le studio Kalangu, c'est pour ceux qui nous écoutent. Le studio Kalangu, c'est pour tout le monde. Le studio Kalangu, c'est pour ceux qui travaillent ici. Le studio Kalangu, c'est pour la personne qui nous écoute depuis le fin fond de Akokan, par exemple. Nous, on est content quand cet auditeur nous dit Ah, c'est par vous que j'ai appris qu'il y a un tel événement qui se passe au Niger, qui se passe à Niamey, qui se passe même parfois à Arlit même. Donc, pour moi, c'est pour ça que je dis c'est pour l'auditeur, parce que on est à leur service. Après, euh, effectivement, il faut pas se voiler la face. Une structure comme celle-là, ça demande, euh, bah, ça demande de l'énergie. Euh, l'énergie, c'est les fonds, c'est des ressources humaines. Donc, on, on, est quelque part dépendant aussi de ceux qui veulent bien contribuer à ce que le, la structure existe. Mais ce qu'on demande aussi à ceux qui nous aident à ce que la structure existe, c'est qu'ils comprennent que le studio Kalangu, c'est pas pour nous qui travaillons ici, même si c'est pour nous, mais c'est pas d'abord pour nous. C'est pas pour ceux qui nous donnent les moyens que ça existe. C'est pour ceux vers qui on travaille et pour qui on diffuse, qui sont les auditeurs. Euh, le studio Kalango a une année, un an d'existence. En termes de perspective, comment vous voyez son avenir Va continuer sur combien d'années, etc., etc. Moi, je ne suis pas bien placée, euh, je ne sais pas qui le serait d'ailleurs. À partir du moment où le studio Kalangou, c'est une structure qui dépend d'un financement, nos perspectives sont de durer toujours, on est confiant qu'on va continuer, mais on va fonctionner de la manière dont on a commencé, c'est-à-dire qu'on a des objectifs et on se dit, bah, il faut qu'on passe à une langue, qu'on passe à une deuxième langue forme. Et euh, les perspectives, vraiment, ce qu'on retient, c'est, quand je disais, il y a des choses qu'on a, qu'on a réussi, d'autres moins bien, c'est par exemple qu'on veut essayer d'améliorer, d'asseoir davantage les, les contenus de la grille pour répondre aux satisfactions des jeunes, notamment pour répondre aux demandes des jeunes, aux demandes des, femmes. Euh, c'est aussi un thème de formation, c'est-à-dire qu'on peut euh, être satisfait d'avoir formé les journalistes qui sont ici au studio, d'avoir formé quelques-uns de nos éléments qui sont dans les radios partenaires des correspondants. Mais est-ce qu'on a vraiment répondu aux besoins, par exemple, de nos autres partenaires qui sont dans les, radios communautaires C'est des choses sur lesquelles on doit réfléchir sur, euh, sur la suite. Est-ce qu'on a répondu, passé avec aussi nos partenaires qui sont au lifty, qu'on a, on a accueilli de, de leurs stagiaires ici, mais est-ce que c'est suffisant Ça, c'est pour la suite parce que c'est cet ensemble-là, la communauté des médias, des radios, qui sont nos partenaires ou qui ne sont pas nos partenaires, des écoles de formation, des auditeurs. C'est un défi. Bon, après, on cherche les moyens pour continuer d'exister et toujours répondre à ce défi à, ses auditeurs et on est confiant. Voilà, vous venez précédemment de suivre Pauline Ben, la représentante au Niger de la Fondation Suisse Hirondelle qui a mis en place le projet Studio Kalangu, le Studio Kalangu a aujourd'hui un an de vie. La suite de l'actualité, le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes a procédé hier matin à l'ouverture de, l'atelier sur la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes. Les participants à cette rencontre vont nourrir le document de la stratégie afin de s'adapter au contexte actuel, répondre de façon efficace aux catastrophes qui pourraient se produire. Qu'est-ce que c'est que ces catastrophes qui nous causent autant de pertes en vie humaine et en dégâts matériels L'expert Adamo Umoru du système d'alerte précoce SAP répond. Les risques et les catastrophes. Les catastrophes, ce sont quand un aléa touche donc euh, des personnes ou leur bien. Là, il a un aléa, là, il devient catastrophe. S'il y a une inondation, si elle ne touche personne, si elle vient, elle passe, euh, euh ce n'est pas une catastrophe. Mais quand elle fait tomber des maisons, elle va faire en sorte qu'il y a des gens qui, euh, qui n'ont plus d'habitation, n'est-ce pas Et elle a touché leur moindre d'existence. Là, ça devient une catastrophe. Un feu de brousse, quand il vient, il euh, passe, il ne touche personne. Là, ce n'est pas une catastrophe, vous voyez, mais, euh, mais on le voit catastrophe quand ça touche, par exemple, euh, le, pâturage. Il y a, le pâturage pour les animaux. Donc, si ça touche, là, ça devient, ça devient une catastrophe. Donc, vous voyez un peu le sens de catastrophe. Quand on dit catastrophe, qu'est-ce qu'il faut, à quoi il faut ah. se référer ici, euh, au Niger, nous, nos principales catastrophes, on a identifié la sécheresse. La sécheresse, vous voyez, quand il y a sécheresse, il y a moins de pluie les cultures ne poussent pas bien, et on est en crise alimentaire. Ça, c'est une catastrophe. Les inondations, quand ça touche, vous voyez ces dernières années-là, quand il pleut, toutes les maisons qui tombent par-ci, par-là, ça, on, vit ce phénomène-là. Et il y a les maladies. Les maladies des personnes, il y a des épidémies. Par exemple, quand choléra, méningite, vous vous rappelez, l'année passée, à Niamey même, hein, vous voyez, donc c'est vraiment, c'était la psychose. Au niveau des animaux aussi, il y a donc ces épidémies-là qu'on appelle épizooties, chez les animaux aussi. Parce que vous savez, les animaux, c'est les, c'est euh, les moins d'existence des de, de, personnes. Chez, euh, par exemple, si chez les agriculteurs, c'est leur, euh, c'est leur épargne comme ça, mais chez les éleveurs, par par exemple, c'est vraiment leur bien comme ça. Vous voyez, non Donc, quand ça touche euh, ces animaux-là, donc euh, ça, c'est une catastrophe. Vous voyez, non Donc, il y a eh, les ennemis de culture. Je ne sais pas si vous avez vécu un peu les, les périodes des criquets pèlerins en 2004, n'est-ce pas Vous voyez, façon, ça ravage complètement et le pâturage et les cultures. Ça, c'est une catastrophe. Il y a les conflits sociaux aussi. Si vous vous rappelez de ce qui s'est passé, par exemple, euh, dans le département de Madawa cette année, en 2016, où des communautés se sont affrontées avec des morts, vous voyez, ça, c'est une catastrophe. Il y a des catastrophes humaines et des catastrophes naturelles. Voilà, il y a des catastrophes humaines, et y justement, il y a naturelles, et il y a aussi les feux de brousse et les incendies. Vous vous rappelez de, de, environ à peu près 8 types de catastrophes euh, nous avons identifiés pour euh, le Niger. C'est des catastrophes que l'homme a toujours vécues, le Niger l'a toujours vécu. Est-ce que vous avez des données sur ces, ces, catastrophes Oui, on a, on a des données. Nous avons une base de données que nous avons développée, que nous appelons des inventaires, donc qui a fait un peu les statistiques depuis 1973 à 2013 et nous avons identifié 3702 catastrophes pour euh, le Niger et encore plus de 10 000 morts pertes en vie humaine donc liées à ces phénomènes-là. Et encore, les pertes, il y a les, les superficies qui sont inondées, n'est-ce pas Les maisons qui sont effondrées, n'est-ce pas Les habitations, les, les ponts, les routes, les infrastructures, Hein, les hôpitaux, les écoles, tout ça là, qu'on a évalué donc sur la période qui fait 1765 milliards de francs CFA de perdus. On connaît les catastrophes. Au lieu de venir en privation, on attend que les catastrophes viennent pour les... C'est ça qu'on cherche euh, à changer justement avec euh, la stratégie nationale de réduction de catastrophe. On veut changer la tendance, ça veut dire qu'il faut prévenir. Donc pour prévenir, il faut connaître on va sensibiliser les gens, n'est-ce pas On va développer des systèmes d'alerte précoce pour euh, sensibiliser les gens, n'est-ce pas pour se prémunir de ces catastrophes-là avant que ça n'arrive. Et puisque si vous connaissez, vous êtes sensibilisé, vous êtes informé, n'est-ce pas Donc euh, vous serez moins exposé. C'est comme euh, la météo, par exemple, vous voyez, elle annonce les pluies, l'arrivée des pluies. Donc, quand vous avez donc des biens qui sont exposés et qui peuvent être périssables liés à cette pluie-là. Vous savez que vous allez, comment dirais-je, les protéger. Donc c'est comme ça. Donc c'est un peu ce système-là que nous avons, de, nous allons développer et aussi que ça soit sur toute l'étendue du territoire et faire intervenir toutes les parties prenantes, tout le monde, c'est-à-dire les, c'est-à-dire euh, depuis le niveau des autorités jusqu'aux autorités communales, n'est-ce pas, jusqu'aux communautés, donc qu'elles comprennent donc, et qu'elles agissent dans, dans ce sens-là pour pouvoir réduire justement ces catastrophes-là. Qu'est-ce que vous mettez en avant pour réussir votre stratégie euh, euh, Ce que nous allons mettre en avant, c'est justement cette sensibilisation-là. Cette sensibilisation, on va eh, eh, intégrer, c'est-à-dire tout, eh, tous les parties, toutes les parties prenantes, c'est-à-dire ça ne sera pas, on va mettre en tout cas tous les efforts en commun donc pour pouvoir intervenir. Vous avez un coût déjà euh, nous avons nous avons un coût pour euh, le plan d'action pour le plan d'action euh, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais ça doit faire euh, plus de 700, plus de milliards donc, euh, qui seront mis en œuvre pour la période 2016-2020. Euh, les catastrophes, pour les, les arrêter, il faut des, moyens. Il y a l'État qui est en avant. En dehors de l'État, qu'est-ce qui vient en appui nous avons, des, nous avons des partenaires. Il y a d'abord l'État. Vous voyez L'État. C'est-à-dire quand les personnes sont sensibilisées, n'est-ce pas, que tout ce que vous faites vous intégrez la réduction des risques de catastrophe. C'est-à-dire que pratiquement toutes les ressources de l'État donc euh, qui sont utilisées au niveau des ministères, ça veut dire que ces ressources-là sont dédiées à la réduction des risques de catastrophe. Donc vous voyez que ça veut dire que ce que l'État va injecter, c'est beaucoup. Puisque si toutes les parties prennent, tout le monde comprend, les acteurs des ministères techniques, les techniciens, donc comprennent, donc ils vont sensibiliser la population. Donc vous voyez, c'est une très grande partie donc euh, qui est orienté vers la réduction des risques de catastrophe. Maintenant, s'il y a un manque à gagner, nous avons des partenaires, nous avons surtout le PNUD qui nous accompagne beaucoup à travers lui-même qui fait du plaidoyer encore pour, euh, attirer encore d'autres euh, acteurs pour nous accompagner dans ce domaine-là. Quelle est la meilleure façon mhm. de, prévenir une catastrophe dans un village, par exemple Nous, au niveau des villages, nous avons l'expérience n'est-ce pas Nous avons des structures que nous avons mises en place que nous appelons les SCAP RU. C'est des systèmes communautaires d'alerte précoce et de réponse aux urgences. Ces structures-là, euh, de la manière dont on les a mises en place, euh, il y a des représentants qui apportent l'information sur tous les secteurs de la vie. C'est-à-dire quelqu'un qui va venir, euh, qui va, qui est chargé de collecter les informations sur l'environnement, sur l'agriculture, sur l'élevage, sur la santé, hein, sur euh, tous les aspects de, en tout cas pour, pour c'est-à-dire les personnes, les habitants la vivent bien. Donc il y a quelqu'un qui est chargé de collecter cette information, de les partager avec la communauté et de rapporter donc au niveau des instances supérieures, au niveau de la commune et qui va monter jusqu'à euh, au niveau du système d'alerte précoce. donc ça veut dire qu'il faut que eux-mêmes ils maîtrisent donc ces aspects-là. Vous voyez, Ces aspects. Donc, il y a des indicateurs. Ils sont formés sur un certain nombre d'indicateurs pour dire que nous sommes en situation normale, nous sommes en situation d'urgence, nous sommes en situation d'alerte, ainsi de suite. Donc, selon les indicateurs. Donc, eux, ils voient voyez, non Si, par exemple, dans, eh, nous sommes en période d'hivernage et que vous voyez un courri qui menace, mais vous voyez, donc ils comprennent et ils prennent des dispositions avant que ça soit un vrai courri qui un jour va les inonder. voyez, non Si, par exemple, euh, on est en hivernage toujours et que, par exemple, la, la saison des pluies vient de commencer, n'est-ce pas Les gens, peut-être que les gens n'ont pas encore semé, ça fait 10 jours, 15 jours, 20 jours, donc tout le monde a semé sauf nous. Ça c'est des indicateurs qu'il faut alerter et pour pouvoir prendre des dispositions, n'est-ce pas Si par exemple on a semé et que on commence à avoir, euh, comment dirais-je, des insectes, voilà, vous voyez, non Donc il faut prendre des dispositions très tôt. Donc ça veut dire que en prenant ces dispositions-là, on n'aura pas crise alimentaire à la fin. Voilà, vous venez de suivre l'expert Adam Oumarou du système d'alerte précoce SAP sur la réduction des risques de catastrophe. Il est admis par tous que les catastrophes, toutes natures confondues, nous causent beaucoup de pertes en vie humaine, beaucoup de dégâts matériels. Alors il faut vite agir, il faut vite agir pour y faire face, d'où la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes qui est en discussion avec la participation de tous les acteurs concernés. Que vise cette stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes Les explications du ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, Laurent Magaji. Le Niger a d'abord, euh, depuis 2012, année où on a eu, si vous vous rappelez, euh, une des catastrophes les plus marquantes avec euh, les grandes inondations qui ont concerné les régions de Tilaberi, Niamey, Dosso et Difa. Le Niger a mis en place une plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe, qui a élaboré une stratégie nationale qui n'est pas encore adoptée par le gouvernement, mais qui est en train d'être vulgarisée pour pouvoir recueillir le maximum d'informations, le maximum d'expériences qui vont permettre de l'enrichir afin que le gouvernement puisse valider une stratégie la mieux adaptée. De même, au même titre que le gouvernement, avec le ministère de l'Action humanitaire, est en train d'élaborer une politique nationale de l'action humanitaire et la gestion des catastrophes. Donc les deux vont aller ensemble. C'est dans ce cadre-là que les experts ont été réunis de l'ensemble du Niger pour pouvoir travailler, voir dans quelle mesure, avec l'expertise des communicateurs, on pourra vulgariser et recueillir la vie des Nigériens. Voilà l'objet de cette rencontre. Mais en attendant, qu'est-ce qui est fait Par exemple, cette année, nous, sommes, nous, faisons face à une crise alimentaire. Vous avez parlé de feux de brousse, vous avez parlé des épisodes aussi. Mhm. Concrètement, qu'est-ce qui est fait sur le terrain Bon, mais sur le terrain, euh, euh, euh, il y a beaucoup de, choses qui sont en train d'être faites. D'abord, euh, avec les différentes institutions, il y a la veille. La veille, c'est-à-dire il y a des structures aujourd'hui comme la météorologie, comme la, Direction générale des ressources à nous, qui ont un dispositif qui permet de renseigner la, situation du Niger en matière d'inondation, de vents violents et d'autres catastrophes. Donc par rapport à ça, nous, avons déjà, nous sommes déjà assez avancés. Dans la pratique, lorsque, euh, au-delà de la prévention, il y a une survenue d'une catastrophe, le Niger est un des pays qui a un dispositif qui lui permet d'agir immédiatement, dans l'urgence, dans les 72 heures où il y a une situation, le Niger est le premier à venir. Puis il fait appel à ses partenaires, donc les acteurs, la communauté humanitaire, qui vient maintenant en appui. Mais c'est toujours le Niger qui est le premier à venir, avec, euh, malgré les maigres moyens que nous avons, nous sommes toujours les premiers à venir en secours à ces populations en détresse en cas de catastrophe. Donc par rapport à ça, sachez que toutes les catastrophes qu'il y a eu au Niger, au courant par exemple de l'année 2016, il y a eu automatiquement la réaction du gouvernement, puis les partenaires ont suivi. La prévention est quand même un problème. non, non, c'est ce que j'ai dit. La prévention, c'est quelque chose qui a besoin du temps. Il faut qu'on se prépare. C'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure dans, dans, le discours et dans mon intervention, euh, il vaut mieux prévenir que guérir. Nous avons aujourd'hui plus de 1700 milliards qu'on a perdu en 40 ans. Imaginez s'il n'y avait pas cette, perte, peut-être le Niger allait être un pays émergent. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que le Niger va faire ce qu'il peut pour pouvoir, dans le cadre de la prévention, aider les communautés. Et c'est pour ça que j'ai demandé aux techniciens de se renseigner auprès des populations de base qui ont des indicateurs qui leur permettent de dire cette année il y a tel risque, il y a tel risque, il y a Il faut impliquer ça, les impliquer mettre dans, la prévention. Et ainsi, l'ensemble du pays va ouvrir les yeux pour faire la veille pour prévention et certainement on en tirera beaucoup de, de Justement, comment vous voyez le rôle des populations Le rôle des populations, elles sont au centre. Aujourd'hui, un agriculteur, il connaît mieux que quiconque les dimensions de son champ, il connaît comment ça évolue depuis son grand-père jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en matière de l'environnement, en matière de changement climatique, il le sait. C'est techniquement peut-être qu'il ne peut pas exprimer. Mais lorsque le technicien qui a la partie technique vient vers lui pour échanger avec lui, on va certainement joindre la recherche recherche et l'action. Et certainement, le pays va faire servir de pays pilote, de pays phare en Afrique par rapport aux préventions des catastrophes. Voilà, vous venez de suivre les explications du ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes sur la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes au Niger. 18h45 un mot de sport pour parler de la Cannes Gabon 2017. Les rencontres se poursuivent. Les premières sorties des équipes se sont soldées par plusieurs matchs nuls. Parmi les favoris, seul le Sénégal s'est détaché du lot avec une victoire nette de 2 buts à 0 face, 2 buts à 0 face à la Tunisie. Pour Siliman Mohamed, président de l'Association des journalistes sportifs du Niger, cette situation dénote d'une amélioration réelle du niveau du football africain. Il a été joint par Moussassa. Jusque-là, nous avons assisté à six matchs et à l'issue de ces six matchs, on a enregistré effectivement quatre matchs nuls, ce qui fait quand même une proportion assez importante faut souligner, après donc la victoire du Sénégal sur la Tunisie, on a enregistré aussi celle de la République démocratique du Congo sur le Maroc 1-0. Donc je pense que cela est dû à un certain nivellement des valeurs au niveau des équipes participantes, au niveau des nations africaines. Je crois qu'il y a une nette évolution, un développement du football de façon, j'allais dire, plus cohérente. On ne remarque plus des grands paradoxes, cette différence nette de valeurs. Il y a quelques années, quand il y avait une confrontation, à la limite, vous saviez à l'avance qui allait gagner. Ce n'est plus le cas au niveau de la Cannes actuellement. La Coupe d'Afrique des Nations a connu une progression fulgurante. Donc après 60 ans, c'est je crois les fruits qu'on peut tirer de l'évolution de cette compétition parce que actuellement au niveau de pratiquement tous les pays, on a pris conscience qu'il n'y a pas de fatalité, qu'il n'y a pas de ligne qu'on ne peut pas bouger. Il faut travailler et en travaillant, on peut avoir les fruits de son labeur. C'est ce qui se passe actuellement. C'est exceptionnel parce qu'il y a une dizaine de pays qui peuvent prétendre légitimement à un titre de champion d'Afrique cette année. Cette année, il y a le Cameroun, il y a l'Algérie, le Sénégal, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le Maroc, la RDC, le Ghana, le Mali, l'Égypte. Vous voyez, ça fait quand même une très longue liste. Il y a quelques années, on disait Cameroun, qui en Afrique noire, le Ghana, au Maghreb, on parlait de l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et l'Égypte, le Nigeria, qui n'a même pas pu se qualifier, vous vous rendez compte, cette année, par exemple. Donc, je crois que la liste des prétendants sérieux s'est accrue tout simplement parce que au niveau de tous les pays, on a compris qu'il fallait travailler et on est en train de tirer les fruits de ce labeur. La Guinée-Bissau qui tient en échec le Gabon à domicile, ce n'est pas forcément une surprise. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité, je vous le dis, par exemple, les joueurs bissau-guinéens, il n'y a aucun qui joue en Guinée-Bissau. 0 sur 23. Ils sont tous à l'extérieur. Il y a cette expérience qu'ils ont acquise à l'extérieur qui leur sert tout leur technique de l'équipe nationale. Et cette équipe a terminé, par exemple, devant la Zambie, qui a été sacrée championne d'Afrique en 2013, devant les Diables Rouges du Congo, deux pays qui sont quand même au niveau du classement FIFA ou africain, largement devant la Guinée-Bissau. Mais sur le terrain, les Bissau-Guinéens ont compris qu'ils pouvaient faire quelque chose, qu'ils s'organisaient un peu, qu'ils pouvaient mobiliser leur diaspora, et le résultat, c'est ce match nul. D'aucuns pensent que c'est parce que les équipes ne lâchent pas les joueurs internationaux attendent pour qu'ils viennent jouer pendant longtemps pour se comprendre avec les joueurs locaux. Oui, vous savez, en fait, il y a une réglementation à la matière, à la FIFA. Il y a quelques années, cette réglementation n'existait pas. Vous négociez avec les clubs pour leur demander gentiment de bien vouloir libérer un tel pour que joue telle compétition. La FIFA a mis de l'ordre. Quand il y a une compétition internationale, quand une équipe nationale joue un match officiel qui est bien calé dans le calendrier international, le club a l'obligation de libérer le joueur. S'il ne le libère pas, la FIFA peut sanctionner le joueur et le club. Actuellement, il y a un cas qui fait école. Il y a sept joueurs camerounais, par exemple, qui ont prétendu diverses raisons pour ne pas répondre à l'appel de la patrie et jouer la canne. Ils ont préféré leur propre carrière en club par rapport au maillot de l'équipe nationale. Eh bien, la Fédération camerounaise de football est en train d'étudier et voies des moyens pour que ces joueurs-là soient sanctionnés dans leur club. Et s'ils sont sanctionnés, ils ne pourront pas jouer pendant la période de la canne avec leur club, toute peine en tout cas de sanctions et les clubs et les joueurs eux-mêmes qui sont incriminés. Bon, il faut prendre en compte les réalités des clubs qui sont les employeurs quand même. Ce sont eux qui payent les joueurs et ils font leur carrière professionnelle dans ces clubs. Mais il y a aussi les impératifs de l'équipe nationale qui participe aux compétitions internationales. C'est deux vérités qui sont pas très très évidentes à concilier, mais la FIFA a essayé de modéliser un calendrier international au sein duquel il est autorisé aux joueurs de quitter leur club pour venir avec euh, leur équipe nationale et s'entraîner. Bon, ce n'est pas comme avant, on pouvait faire des mises au vert d'un mois, de trois semaines. Le calendrier international le mais avant les compétitions nationales quand même, il y a un certain temps qu'on donne, trois semaines ou deux semaines pour que les joueurs soient à la disposition des équipes nationales. Et si un club ne le fait pas, la FIFA peut le sanctionner. Est-ce qu'on peut penser que ces mêmes joueurs, quand ils viennent, ils ne se donnent pas à fond pour éviter les blessures graves oui, c'est clair. Il faut être réaliste. On a souvent ces cas. Vous savez, il y a une réalité aussi qu'il faut dire. Je le disais tantôt, les clubs sont les employeurs. Je vous donne un exemple. Sadio Mané, le Sénégalais, qui joue à Liverpool, un des meilleurs joueurs de Liverpool, titulaire indiscutable, qui est très très décisif. Il fait marquer, il fait des passes décisives, il marque lui-même. Son club en Angleterre, Liverpool, a déplacé spécialement un médecin pour le suivre pendant tout son séjour au Gabon actuellement. Il regarde les entraînements de l'équipe nationale pour voir si c'est adapté à Sadio qui suit également la diététique de Sadio Mane, qui fait tout pour le mettre dans les meilleures conditions. Donc le club Liverpool a accepté, évidemment, ils n'ont pas le choix, je le disais tantôt, c'est la réglementation, mais ils l'ont pas laissé partir seul parce qu'ils ont des a priori sur la gestion et l'intendance, comment est-ce qu'elle se déroule autour des équipes nationales africaines. Il y a un niveau de professionnalisme qui n'est pas avéré, il faut dire la vérité, qui est en deçà de ce qui se passe dans les grands clubs professionnels internationaux, notamment européens. Donc, vous êtes payé à des millions et des millions en Europe. Vous venez en équipe nationale où souvent vos primes ne sont pas régulières. Vous êtes obligé d'aller en grève pour vous faire payer. Ou vous êtes obligé parfois de payer vous-même votre propre billet d'avion pour venir. Ou vous êtes dans un hôtel qui n'est pas exceptionnel, etc., etc. Moi, je comprends certains joueurs qui hésitent avant de venir en équipe nationale. C'est un appel pour que nous, en Afrique, je vais dire de façon générale, qu'on professionnalise les domaines, notamment l'entourage et l'intendance au niveau des équipes nationales. C'est vrai, on, a beau dire, c'est le patriotisme sur le pays, il faut le défendre, mais le pays aussi, la nation aussi doit faire un minimum pour que ses enfants, pour que ses ambassadeurs soient dans les meilleures conditions. Donc, souvent, effectivement, on trouve ces cas, ces joueurs qui viennent en traînant un peu les pas, qui ne se donnent pas à 100% parce que vous n'êtes pas sûr d'être remboursé, parce que vous n'êtes pas sûr d'être bien soigné, etc., etc. Bon, c'est un éternel débat et la solution, je crois, c'est que les clubs doivent jouer. C'est un impératif, c'est normal, il faut qu'ils défendent le club de leur pays, mais il faut que les pays aussi mettent en place des structures professionnelles pour que ces joueurs-là se sentent à l'aise et se battent véritablement pour leur pays. Merci beaucoup, M. Siliman, pour toutes ces analyses. Je vous en prie, merci beaucoup. Voilà, vous venez de suivre Siliman Mohamed, le président de l'Association des journalistes sportifs du Niger. Il commente là les premières sorties des équipes qui sont représentées à la Cannes Gabon 2017, des sorties qui se sont soldées par plusieurs matchs nuls. On va finir ce forum avec euh, cette question. sachemine vers un assainissement du secteur de la santé La question est posée après la rencontre qui a regroupé le ministre de la Santé publique et les acteurs du secteur pour discuter des problèmes du secteur. La question est surtout posée après la décision du ministre de la Santé publique de fermer toutes les officines qui sont en porte-à-faux avec la loi en vigueur au Niger. Quelle est la réponse à cette question Pour aujourd'hui, nous allons suivre l'acteur de la société civile, Nouarzika, qui salue les premiers pas du ministre de la Santé publique. Nous avons assisté à la demande du ministre de la Santé à une rencontre qui a regroupé les promoteurs des écoles euh, de santé, les promoteurs des centres des établissements de santé et puis les établissements pharmaceutiques. À l'occasion de cette rencontre-là, en effet, un échange s'est euh, établi entre euh, tous les participants, et parmi lesquels nous y étions. Et effectivement, il s'agissait de réfléchir sur les difficultés qui sont observables et constatables aujourd'hui dans le secteur de la santé. Et c'est à ce titre-là que nous avons, en ce qui nous concerne, donc, euh, intervenu et interpellé le ministre et tous ceux qui étaient à la réunion sur le fait qu'il y a effectivement des difficultés sérieuses qu'on ne saurait d'ailleurs gérer dans le seul cadre d'une telle rencontre et qu'il faille envisager euh, d'aller vers euh, les états généraux du système de santé de notre pays pour permettre de voir euh, plus clair sur l'organisation de notre système de santé. Comment on va avoir un système de santé qui soit capable de répondre aux aspirations du peuple à, à la jouissance de ses droits à la santé tel que consacré par la Constitution de notre pays. Avant d'aller aux États généraux euh, de la santé, le ministre a pris euh, quelques mesures. Est-ce que vous êtes euh, d'avis avec le ministre Ce qui a pu se passer, c'était la décision de respecter les textes. Nous avons effectivement fait cette recommandation qui consiste à dire en attendant les états généraux et les recommandations qui en seront issues et la transformation de ces recommandations en des réformes à mettre en œuvre, et en attendant, il faut faire respecter les textes. Parce que le problème que nous avons dans notre pays, c'est que les textes existent, mais ils ne sont pas appliqués. Ils ne sont pas respectés par tous les acteurs. Que ce soit les acteurs au niveau du ministère, comme les acteurs au niveau des promoteurs. Donc la seule victime, c'est le citoyen. Le citoyen que nous défendons en tant que consommateur des services de santé, c'est lui qui est la victime. C'est nous avons dit, donc nous ne pouvons pas admettre que nous soyons dans une république, qui plus est, est un état de droit qui assure à tous l'égalité devant les services publics de l'administration et qu'on soit dans une situation où il y a des gens qui décident délibérément de refuser de respecter les lois et règlements de la République, qui sont censés garantir la sécurité à tous les citoyens, du point de vue de la jouissance aussi des droits à la santé tels que consacrés par euh, notre Constitution, que les citoyens puissent en jouir. Aujourd'hui, vous avez un parterre de, de, difficultés et des problèmes que nous avons relevés, qu'il s'agisse des écoles de formation de santé qui forment aujourd'hui plus des agents de santé qui sont même plus un danger pour la santé publique que des véritables capables de pouvoir faire face aux besoins de santé parce qu'ils sont mal formés et ils, ont, ils sont formés dans un environnement qui ne les permet pas de bien apprendre. Et ensuite aussi au niveau des, centres de santé, centres de santé tels que les établissements, les cliniques, les salles de soins, les cabinets de médicaux, les polycliniques et autres, les gens parfois ils viennent, ils créent leur institution sans aucun égard aux obligations légales qui sont prévues et à la réglementation en Les pharmacies, c'est la même chose du point de vue de la fourniture des médicaments. Vous avez bien constaté dans ce pays, tout le monde pratiquement fournit le médicament et il fournit le médicament dans les conditions les plus abjectes qui exposent les citoyens à l'automédication et au danger de la consommation de ces produits qui ne sont pas forcément des produits recommandés ou recommandables et par des personnes qualifiées et qui connaissent bien le médicament. Donc nous avons dit que ça, c'est des choses très dangereuses et il faut que les gens fassent extrêmement attention. Le secteur de la santé est un secteur extrêmement important et parce qu'il est extrêmement important, nous avons absolument le, devoir de faire extrêmement attention parce que les erreurs médicales, c'est la mort. En cas d'erreur médicale, on peut se retrouver aussi avec des perturbations dans son corps de façon définitive. Et cela doit être, doit être euh, bien compris, doit être bien perçu par tout le monde. Et c'est pour ça que nous devons tous ensemble faire extrêmement attention à l'ensemble de ceux qui représentent l'offre de santé de notre pays. Voilà, vous venez de suivre l'acteur de la société civile Noir Zika sur l'assainissement en vue du secteur de la santé. À 18h58 minutes, c'est la fin de ce forum, en grande partie consacré à l'anniversaire de votre studio, le studio Kalangu, qui a aujourd'hui un an de vie. Je vous souhaite bonne soirée et merci surtout de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain à la même heure et aux mêmes fréquences. À demain.